conseil économique, social et environnemental. Dégg itam sorti euh, président Macky Sall à travers les ondes de RFM à El Hadji Assane Gueye naka nga jàngatee jour corité, ces deux sorties simultanées de Idi et Macky. waaw d'abord pour euh, commencer par Idi moi, euh, il est déjà dans la peau d'un chef d'État parce que pour Moi, Mingi dit en fait Je suis dit réew après Mon fof la taxaw je xel la lan la c'est-à-dire j'ai des difficultés pour comprendre. non aussi j'ai des difficultés à te suivre un tout petit peu ngane pour moi, jamono ji waaw est-ce que je xel wala c'est-à-dire en fait quand je l'écoute, personnellement, je suis confus. En fait, je, n'arrive pas à le situer. Du nit boo xamante en fait mun ko man mun naa leen moom diw. Hmm. par exemple man boo nee ma Sonko suis naa ko catégoriser. Hmm. boo nee ma Déthié ko catégoriser mais j'ai du mal à cerner hmm. il est imprévisible il est paradoxal il est contradictoire sais euh, sax qualificatif déjà li à sa conférence de presse il nous dit que Ousmane Sonko l'a que Macky Sall et dans le même même conférence de presse il présente Ousmane Sonko comme un candidat de la violence et il présente Macky Sall comme quelqu'un bo xamantane warul bok et il veut dire aux Sénégalais ñaar ñi nga xamante duñu du man kat mën wax ak ñaar ñëpp <laughs> donc c'est moi la personne idéale bi ngeen wara et en même temps il choisit le mois de Ramadan mm-hmm. il choisit le khud et il choisit le ndogu et en fait il passe des fois il passe pour un prêcheur parce que toute la conférence de presse, c'est un récit, c'est des, des références, qui ay hadith, ay références au hadith, li, là, etc. Mm. etc. Mm. Quelqu'un qui veut le pays, mm. du sa xam-xamu alxuraan lañ soxla ni nga war a mun a doxalee bi lañ soxla gis-gis ak sa xam-xam on n'a pas besoin de concepts spirituels pour et cetera et cetera bon buy aujourd'hui bu génnee jouru korité wax parce que xamna ni maké mu ngi wax parce qu'il veut tout simplement dire man ki la moromol man sama vis-à-vis ki le du ñeneen ni donc effectivement man sama dayo Qui mooy sama masse dal en réalité Qui mooy sama masse après avoir écrasé Wad... après avoir craché sur Wad... ak fii ñu jaar yépp quoi mais vous faites qu'un homme, il faut considérer que c'est lui le chef de l'opposition, peut-être c'est, c'est tout à fait légitime. Oui, mais le chef de l'opposition, ce n'est pas simplement parce que tu es sorti deuxième aux élections. Il y a un facteur qui est déterminé. Depuis les élections législatives, ou depuis les élections locales, en 2019, entre-temps, il s'est passé des choses quand un chef de l'opposition rejoint le pouvoir, il est comptable de ce que le pouvoir fait. Parce que Mugiyor, une institution importante, Conseil économique, mm-hmm. euh, social et environnemental. Benen affaire top mm-hmm. Moi, euh, chef de l'opposition, c'est quelqu'un aussi euh, il y a des sorties régulières sur la situation du pays Tahawal oppo taxawal opposition et ça quand même qui ci Ousmane Sonko il a il fait régulièrement des sorties sur la situation du pays critique et affaire wax et etc. et en termes de légitimité mm. waxuma le d'un point de vue légal mm. parce que en termes de légitimité mm. Ousmane Sonko de fait c'est lui parce que tay bu génnee ñëpp top ko tay bu woté ñëpp top ko lolu li ci des nak ku ci nak mën nga wax ni wéy taxi li la wax mais il y a un déphasage entre le texte ak la réalité mais ça ma tay buñ la waxé l'opposant numéro un au Sénégal xel ci Ousmane Sonko lay dem oui ah donc donc en fait lolu nit ñi mënuñu ko bañ mhm. beneen affaire bi lecture bi ma am ci li qui intervenir pour moi, c'est une commande. Non, non pour moi, dem ci émission El Hassan hmm. tan ko pour defi fa émission. Hmm. pour moi, man journaliste yëpp mënuñu ko am. Hmm. ça passe plutôt pour moi, c'est une commande. affaire la bo xamantene il s'est organisé à ce que à ce que lolu am je mm. man ni ma mënee toog ou commander des pizzas, des mm. sandwichs, ou des hamburgers. oui noonee nga le président Macky Sall dafa commandé émission tant jour bi ak heure bi présentateur oui parce que pour la plupart RTS est RTS c'est vrai c'est une télévision nationale c'est un média national mm. mais qui qui ne capte pas l'attention des Sénégalais Il y a aussi RFM ak TFM ñu nek média de xamante sont, c'est des médias, c'est un média qui est très suivi. Il a voulu s'adresser peut-être aux Sénégalais qui ne l'écoutent pas et qui ne le regardent pas. Et il a choisi ce média pour parler aux Sénégalais. Mais maintenant, euh, peut-être aujourd'hui kuy xaar Macky Sall ci interview li ngay déglu sur la question du trajet. et même même veille ou indépendance les gens s'attendaient à ce qu'ils se prononcent sur cette question maintenant suspense boobu maintenant mën nañ comprendre Je nañ ko comprendre parce que dire que s'il se prononce sur la question du troisième mandat en disant que ces gens ne vont plus travailler ça ne tient pas si tu le dis et que tu remarques que que tu les dégommes tu nommes d'autres personnes parce que tu mets les gens pour qu'ils travaillent on ne met pas les gens, nommez-vous le, d'une période à une telle période, pour que effectivement nga suspendre sa nomination ci man ma candidature ou pas. c'est-à-dire man ma candidature. Ça mhm. voit waru ci nekk. dama la dama la fal jox la ay ndombal tànk pour nga doxal dara pour sénégalais donc si tu ne peux pas le faire. Hein? wala nga bëgg conditionner bëgg conditionner ligue en fonction de quelque chose que tu as wax mm en fait tu n'es pas avec moi tu es contre moi. d'accord loolu moy kon sorti Idi ak sorti Macky Sall Mbacké am solo euh, surtout jàngat bi nga xamné mom la def ci Idrissa euh, nga xamné ne melone bi muy door wax xamul fu Idi di taxaw waye bi mu ko jangaté day woné né xamna na fi Idi di taxaw fi muy taxaw moy euh, day day day ko nakaré japp, waye est-ce que loolu nekkut manam istilam bo xamante ne moom la mom la ñëwé wat parce que Idi itam da mel ne